leneen loolu mu bëgg dañ ko ci fekk ci donc nañu arrêté li ñuy def nous allons au tribunal comme ça supporter notre leader supporter notre candidat parce que ñun dañu am candidat te kenn mënu ñoo fexé dem ci élection yi xam nañ ni li ñuy def ci mom yëpp c'est pour l'empêcher d'être le candidat du peuple c'est pour l'empêcher d'être le candidat de Pastef mais ça ne passera pas donc provocation bi fitna bi ñu bëgg indi ci Nous mi ñu ngi leen di xamal ne leen ci ñoom la dépendre ça dépend de Macky Sall que je prends comme responsable donc enough is enough ça suffit et nous voulons que ça s'arrête Ousmane Sonko sénégalais le comme ñëpp kenn mënul taxaw di def nous xamante ko mu biir këram ne pas euh, euh, euh, par directement à la carte du tribunal pourquoi mënaguñu ko xam nous ma tax di dem ni donc j'appelle les ni

ñun pour l'avenir du pays pour l'avenir de la jeunesse pour la reconquête encore du nouveau Sénégal je crois que il est temps que les leaders communiquent avec les militants nous ñu la situation levé levée de barrière am c'est un manque de communication on ne communique pas avec les militants les militants sont perdus dans le désert ayant une soif de leur leader xam nga situation bi gérer parce que certains sont sur le terrain nous qui ay bracelet Certains sont en train de rassembler Certains sont en train de sensibiliser mais il faut pas que les leaders nous laissent perdus dans la forêt comme ça nous, nous actuellement nous sommes dans l'obscurité totale on ne sait même pas ce qui se passe barrière il n'y a pas eu de communication il n'y a pas eu de communication par rapport à les leaders avec le peuple sénégalais parce que faites un remarque vous êtes vous avez vous êtes des journalistes vous avez fait des micro trottoirs vous savez à quel, à quel niveau Ousmane Sonko est représenté dans le pays. Vous, savez quelle est la valeur de notre leader. Donc vous savez maintenant, Ousmane Sonko, ce n'est plus PASTEF, ce n'est plus Yehui Askanbi. Ousmane Sonko est devenu une affaire nationale et sociale. Donc quand on réclame un leader comme ça, et qui se trouve dans des situations délicates, il va falloir que nous, on nous informe, qu'on nous dise la vérité qu'est-ce qui se passe Parce qu'on ne peut pas écouter des, radios qui nous informent. Parce qu'eux, ils ne sont pas les responsables de Postef. Il faut que les responsables de Postef prennent la responsabilité de se mettre face aux médias, que le monde sénégalais qui les écoute puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, quel est le programme, quelles sont les démarches à faire. C'est tout ce qu'on veut savoir. C'est ça la réalité. Mais ne soyons pas là. Regardez tout ce peuple-là qui est là. Même s'ils sont une, un nombre de 100 personnes. Mais c'est un nombre de valeurs. C'est un nombre de valeurs. On est là, on n'est pas informé. Personne ne nous parle. On est perdu. Alors il faut, il faut que les leaders nous communiquent. Mais l'on nous dit qu'actuellement Ousmane garde à Mais qu'est-ce qui nous fait dire ça C'est l'information. C'est l'information que vous avez reçue.